ọjọ́ àbámẹ́ta mẹ́tàlélógún oṣù kejìlá ọdún tí a wà nínú ẹ̀ yìí òun ni àjọṣe ọmọ yorùbá ẹ káàárọ̀ ẹ jíire nílùú benin wọ́n gbé ẹgbẹ́ àjọṣe ọmọ yorùbá kalẹ̀ tó jẹ́ ọdún àkọ́kọ́ tó ń ṣe nílùú benin ojú pé ẹsẹ̀ pé níjọ́ yẹn tó jẹ́ àwọn lọ́balọ́ba àti àwọn ìjòyè ẹsẹ̀ wọn ló pé ní ọjọ́ náà bákan náà àwọn aṣojú ìjọba ẹsẹ̀ gbogbo wọn ló pé ní ọjọ́ náà títí dé rí bàbá olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìlú Benin àti ìyá wa alága ìpínlẹ̀ bákan náà ajẹ́lẹ̀ àjàṣẹ́ òun náà ò gbẹ̀yìn ń bẹ̀ àti bàbá wa oníkòyí àjàṣẹ́ gbogbo wọn ló wá láti gbé ẹgbẹ́ yẹn jókòó ní ọjọ́ náà bákan náà a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó ń fún wọn ní ìmọ̀ràn bí ẹgbẹ́ yẹn ó ṣe máa tẹ̀síwájú ní ọdọọdún bákan náà a wá rí bàbá wa olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin tá à ń pè ní président de l'assemblée òun náà fún wọn ní ìmọ̀ràn ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó wí fún wọn. les questions d'intérêt personnel et égoïste vous divisent on prend ici aujourd'hui un autre prend un compte ici demain et les problèmes commencent les problèmes commencent on a trouvé ça moins cher chez telle personne. Non, c'est plus cher ici. On prend le coupon, on va au Nigeria, on fait la contrefaçon pour concurrencer l'association. Veillez à ce que cela ne se reproduise pas en votre temps. Enfin, je voudrais vous recommander, comme d'autres ont eu à le dire avant moi, d'être véritablement unis dans les cœurs, cœur, esprit et corps. Visiblement, nous voyons que vous êtes unis dans le corps. Maintenant, est-ce que vous êtes unis en esprit et dans vos âmes L'âme, l'esprit, le corps. Le corps, nous voyons ça, c'est bien. Dans votre fort intérieur, est-ce que vous êtes unis Que le bureau qui sera mis en place travaille véritablement à l'union des corps, de l'esprit et de l'âme. Et c'est là que vous serez vraiment unis. Voilà quelques, quelques conseils que je voudrais vous donner pour la pérennisation et la pérennité de ce bébé, ce joyau qui naît aujourd'hui et qui naît à la veille de la naissance du prince de la paix. Jésus

lẹ́yìn yẹn àwárí àwọn lọ́balọ́ba lẹ́gùn ní yorùbá wọ́n ṣàdúrà fún ẹgbẹ́ náà fún ìtẹ̀síwájú ní ọdọọdún ẹ jẹ́ ká gbọ́ àdúrà bàbá wa oníkòyí tóun náà ṣe fún wọn. ọmọ káàdì tí kí yóò ló dáa fún yóò ẹ tí ẹ wọnú sí èyí báyìí lásìkò tèmi lásìkò kábíyèsí ọba alájàsọ nítorí abẹ́sẹ̀ mẹ́fà tìlú àgbàsọ. mo sì gbà pé mo rán wọn lẹ́yìn ìkọ́ yìí péjọ lẹ́sẹ̀ ìkankan ò kọ́ ẹ lẹ́sẹ̀ iwájú iwájú lọ́fẹ́ rẹ̀ ti ní sí iwájú lẹ́nu àwọn. lẹ́yìn ìgbà tí bàbá wa oníkòyí ṣàdúrà fún wọn tán àwa súnmọ́ bàbá wa mukaramu badaro aṣíwájú ọmọ ẹgbẹ́ àjọṣe ọmọ yorùbá ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó wí fún wa lẹ́yọ̀kọ̀ọ̀kan. en réalité il y a pas de il y a aucun yorùbá qui hésite parce que c'est un creuset commun C'est une lutte commune. On a pu nous rendre compte au niveau du comité d'organisation que nos préoccupations sont partagées par tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, et ce n'est pas que des Yoruba, qu'ils soient Mina, qu'ils soient euh, qu'ils soient Fon, qu'ils soient Bariba, ainsi de suite, nous sommes tous aujourd'hui frappés par une certaine acculturation, frappés par une érosion de nos cultures. Et nos propres réalités nous échappent si nous nous passons parce que tout arbre sans racine ne peut pas prospérer. Si nous nous passons, nos enfants qui deviennent des moins Yoruba, qui deviennent des moins de leur air culturel, de leur communauté, eux vont transpirer en sorte d'autres choses sur leurs propres enfants. Et donc, petit à petit, notre culture s'affaisse. Et c'est pour éviter que cela ne s'affaisse complètement et ne tombe complètement, et qu'on tombe finalement peut-être dans un vide. C'est pour ça que nous avons pris cette initiative. Donc je peux vous rassurer, de partout où nous sommes passés, que ce soit chez nos aînés, des têtes couronnées, des chefs de collectivité, des chefs traditionnels, nous n'avons senti à aucun endroit une hésitation. Nos remerciements s'adressent à vous aussi qui êtes venus nous soutenir à travers vos micros et caméras, parce que sans vous, ce que nous avons fait ici restera seulement ici. Mais avec vous, ce que nous avons fait ici sera porté dans les maisons, dans des communes, dans les départements et même au-delà du pays. Donc je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre déplacement. Le bureau exécutif qui est mis en place, les sections qui sont mises en place parce que nous avons les sections au niveau de nos communes à l'extérieur. Nous allons travailler tous la main dans la main pour faire en sorte que l'association puisse satisfaire les attentes de nos frères et soeurs. Je vous remercie.